déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaar réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet fi nangu bu mu seen pooju bañ marche kenn du leen boom réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu buumu jaar bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu boomu jaay doon seen pooju nday yi bañ marche kenn du leen boom réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu boomu jaam fee bu mu jaam mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa dee réew mi bañ naa mu jaam nango bu mu na nguvu Chers compatriotes du Sénégal et de l'Afrique, bonsoir. Nous venons par cette allocution nous adresser à vous pour euh, revenir sur euh, les événements de ce jour à Dakar, à Ziguinchor et épisodiquement dans d'autres endroits du Sénégal. À l'entente de mon propos, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des trois disparus. Nous avons appris qu'il y a eu des concitoyens qui ont été victimes de la répression aveugle des forces de défense et de sécurité de Macky Sall. L'une à Dakar, une personne qui n'avait rien à voir avec les manifestations, qui serait même handicapée, mais qui a été victime de la répression aveugle des forces de Macky Sall, qui ont incendié l'endroit où il se trouvait et son handicap ne lui permettant pas de s'en extraire. Les deux autres ont été enregistrés respectivement à Ziguinchor et à Bignona, c'est-à-dire dans deux départements de la région de Ziguinchor. Il s'agit notamment de M. Abdoulaye Diata et de M. Idrissa Goudjavi. Nous nous inclinons devant leur mémoire, nous présentons à leur famille, à leurs proches et à tout le peuple sénégalais nos condoléances les plus attristées. Et nous vous promettons que ces crimes de plus dans le registre, dans le répertoire de Macky Sall ne resteront pas impunis. Chers compatriotes, nous venons de vivre une journée qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on a vécu il y a à peine un an et demi et qui est consécutif à la gestion autocratique ou la tentative de gestion autocratique du pouvoir d'État par Macky Sall et son clan. De quoi est-il question D'exercice des libertés les plus élémentaires inscrites dans notre charte fondamentale qu'est la Constitution et relevées dans toutes les lois librement voté dans ce pays, parmi lesquels la liberté de manifester, la liberté de s'associer, la liberté d'aller et de venir, mais également la liberté de culte. Yahweh Askanui a déposé une information, puisque de par la loi et par la constitution, il n'est absolument pas question d'autorisation. Une information d'une manifestation qu'elle tenait à organiser pacifiquement pour protester contre cette dictature de Macky Sall, instrumentalisant l'administration et la justice depuis dix ans qu'il est à la tête du Sénégal pour écarter ses adversaires politiques de toute compétition. Yewi Askanu donc a tenu à organiser une manifestation pacifique. Manifestation similaire organisée il y a à peine dix jours au même endroit, ayant regroupé, ayant réuni des milliers et des milliers de manifestants dans l'ordre, dans la discipline, dans la paix, sans qu'il y ait eu un seul incident. Il se trouve que l'administration de Macky Sall, sous la dictée de ce même Macky Sall, a voulu interdire cette manifestation. Il est évident que la manifestation a eu lieu et a été même beaucoup plus visible que si elle avait été autorisée. Aujourd'hui, Dakar a cessé de fonctionner durant toute la journée. Mais tout le Sénégal, j'allais dire, a été bloqué durant toute la journée. Si la manifestation avait été autorisée, elle se serait tenue uniquement à la place de l'obélisque, dans la discipline et dans l'ordre. Il n'y aurait eu ni blessés, ni perte en vie humaine. Les gens auraient délivré leur discours et seraient repartis tranquillement chez eux. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique exclusive de Macky Sall. Alors je voudrais d'abord m'adresser à Macky Sall pour lui dire qu'il est un président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de mars, février-mars 2021, le voilà qui ajoute trois autres victimes à son répertoire en juin 2022. Tous ces crimes ne resteront pas impunis. Vous vous souvenez bien qu'après les événements de 2021, il avait annoncé une commission d'enquête censée faire toute la lumière sur la question. À ce jour, point d'enquête, point de commission, la meilleure manière pour Macky Sall d'enterrer un dossier gênant, c'est justement de promettre aux Sénégalais de mettre en place des commissions d'enquête pour faire la lumière. Nous voulons dire à Macky Sall que lui et son gouvernement et son général qui dirige la gendarmerie sont des assassins. Parce que ce qui s'est passé, notamment dans le sud du pays, relève d'une volonté manifeste d'un régime de tuer sans raison. Ce qui s'est passé à Bignona, il n'y avait même pas de manifestation à Bignona, puisque même une demande d'autorisation de manifester n'avait été déposée. La manifestation s'est tenue à Ziguinchor. Voilà que la gendarmerie va trouver des militants au siège d'un parti. Qu'un gendarme prend le temps de viser, d'ajuster et d'ouvrir le feu sur un jeune garçon innocent de 24-25 ans pour l'abattre, cela relève d'un crime. Et c'est parce qu'il a reçu l'ordre de le faire. Depuis hier, nous avions eu des informations venant de l'intérieur que le général Moussa aurait donné comme instruction à ses gendarmes d'user de tous les moyens et que lui, il les couvrirait et qu'il assumerait. Et voilà le résultat de cet ordre. La même chose s'est passée à Ziguinchor, où on a tiré à barre réelle sur des manifestants désarmés, atteignant l'un au cou, qui vient de succomber justement à ses blessures, l'autre au dos, et le troisième à la jambe. La question qu'on pose, pourquoi à chaque fois qu'il y a des manifestations au Sénégal, c'est dans le sud du pays que Macky Sall et sa gendarmerie s'autorisent à tirer à balles réelles sur les manifestants. Les manifestations ont été beaucoup plus virulentes à Dakar. Il n'a pas été fait usage de tirs à balles réelles. Mais quand il s'agit de la Casamance, on croit pouvoir tout se permettre parce que les Casamancés, aux yeux de Macky Sall, ne sont pas des êtres humains. Macky Sall vit une relation de mésestime et de haine vis-à-vis des Casamancés. Aujourd'hui, des sportifs casamancés sont adulés. Il aurait suffi qu'un seul d'entre eux décide de s'engager en politique et d'être opposant pour être traité tout de suite de rebelle. Cela reflète la considération que Macky Sall porte à la Casamance. Vous comprendrez bien l'ironie. J'en fais les frais. Jamais au Sénégal, un homme politique n'a été aussi haï, aussi détesté, aussi diabolisé sur son culte, sur sa famille, sur son appartenance régionale, ethnique. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a vécu cela. Et aujourd'hui, Macky Sall est prêt, ou alors tente de monter tous les cas avancés pour qu'il y ait un mouvement de contestation, de protestation pour assimiler tout cela à de la rébellion et reprendre une histoire qui est largement derrière nous. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Le Sénégal aujourd'hui est un et indivisible. Les Sénégalais sont une nation forte et enviée dans tout le monde, avec des cousinages à plaisanterie, avec un brassage ethnique, religieux, où les gens se marient entre eux. Le Sénégal est une grande nation. Macky Sall, votre gouvernance basée sur la haine et la division ne marchera pas. Depuis que vous êtes président, on entend parler de d'ethnie. Vous êtes venu avec votre slogan de Netokubandum, signifiant que tous ceux qui sont issus du nord du pays doivent voter pour vous parce que vous serez de cette ethnie. Aujourd'hui, tout le monde a compris que vous ne croyez même pas à votre propre ethnie. Vous utilisez, vous essayez d'utiliser les gens uniquement pour atteindre vos fins politiques. Les Sénégalais ne vous laisseront pas brûler ce pays. Ils ne vous laisseront pas Créer les démons qui ont brûlé le Rwanda, qui ont brûlé beaucoup d'autres pays. Ils ne vous laisseront pas instaurer une guerre ethnique ou civile dans ce pays. Vous serez le seul à brûler de vos tentatives avec comme seul objectif, pour ne pas dire obsession, votre maintien au pouvoir pour un mandat illimité. Ce qui a démarré aujourd'hui, M. Macky c'est le premier acte de la fin de votre règne en tant que président de la République. Nous pouvons vous assurer et vous garantir que vous ne serez pas président de la République à partir de février 2024. Vous ne le serez plus. Et les tentatives d'intimidation ne marcheront pas. Ce que vous avez fait en Casamance, vous vous rendrez compte que demain, si on appelait à une manifestation, vous verrez encore 10 fois ou 20 fois plus de manifestants. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Dakar considérait que ce n'était qu'un avertissement. L'une des principales leçons qu'on doit tirer de cette journée, c'est que Macky Sall a voulu jauger le peuple sénégalais. Mais le peuple sénégalais également l'a jaugé. Parce que depuis un an et demi, il a fait croire à tout le monde qu'il est allé se préparer, qu'il a tiré des leçons de sa cuisante déculottée de l'année dernière, qu'il est allé s'équiper, en France, en Israël, au Brésil et partout en Turquie, qu'il a acheté suffisamment d'armes de répression, qu'il a recruté suffisamment d'agents de sécurité. Depuis un an, lui et son, clan ont essayé de jouer sur la psychologie des Sénégalais pour créer une situation de peur généralisée. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, Macky Sall, que vous ne pouvez pas faire peur aux Sénégalais. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple qu'on a peur. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'aurez jamais, mais alors jamais de la vie, suffisamment d'hommes de loi, suffisamment d'agents de sécurité, suffisamment d'armes pour retenir un peuple debout qui veut en finir avec la dictature. Ce qu'on peut tirer encore comme enseignement aujourd'hui, c'est que tout l'entourage de Macky Sall dont la bravoure se limite aux conférences de presse tenues au siège de la PR, qui avait promis de croiser le fer et de contrer la manifestation. On n'a pas vu l'ombre d'un cafard marron beige dans les rues de Dakar. Ils sont tous allés se terrer comme d'habitude. Parce que vous n'avez pas la majorité sociologique dans ce pays. Vous pouvez continuer à vous raconter des histoires quand vous êtes entre vous ou quand vous tend, on vous tend le micro. Mais vous savez très bien vous êtes dans une minorité sociologique et politique écrasante dans ce pays. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de, de la journée d'aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est pas un homme courageux. C'est un homme qui aime frapper derrière le dos. Mais quand il faut faire face à ses responsabilités, il est toujours embusqué derrière un commandement, et notamment de la gendarmerie et de la police, un commandement lâche qui est prêt à assassiner son propre peuple pour satisfaire à un président de la République complètement vomi par son, ses, populations. À ces messieurs, nous leur dirons qu'ils sont des Sénégalais comme tous les Sénégalais et que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre à la population sénégalaise. Ce que je veux dire ensuite, c'est que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat au Sénégal. Aujourd'hui, on a posé le premier acte de son départ en 2024. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de liste. C'est la démocratie, chèrement conquise au Sénégal, qui était un modèle pour toute l'Afrique quasiment il y a quelques années. C'est les droits et libertés toute chose que Maki n'a cessé de piétiner depuis plus de dix ans, ce sont ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple ne l'acceptera pas. Ce qui est en jeu également, c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale sur nos ressources naturelles, sur notre économie, sur tout, tout notre potentiel qu'il faut transformer pour le bonheur exclusif de nos populations sénégalaises et africaines. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer devant des préfets placés ici pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous parce que nous nous battons sur la base de convictions, lui il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout-puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait dès lors qu'il satisfait à vos intérêts et notamment à celle de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Je voudrais dire également que nous lançons un ultimatum à Macky Sall. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêté. Je ne parlerai pas de ma situation, puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveillée, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire et on m'a pris d'assaut, moi et ma famille, de l'aube à maintenant, m'interdisant de me déplacer et d'aller même sacrifier à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train d'essayer de se tailler une image internationale. Nous lançons donc un ultimatum de libérer immédiatement tous les otages qu'il a entre ses mains des leaders politiques ont été arrêtés, notamment M. Détiefal, mandataire national de la coalition eu Askani. Il a été arrêté devant son siège sur la VDN à plus de 4 km du lieu du rassemblement. M. Ahmed Aydara, maire de Guédiouaï, il a été arrêté là-bas à Guédiouaï, à quasiment plus de 15 km du lieu du rassemblement. Et au jour, au moment où on parle, ils sont encore dans les lieux de ta, détention. Je vous parlais d'éléments de ma garde rapprochée qui, le matin, venaient tranquillement rejoindre mon domicile et ont été alpagués pour être conduits à des destinations inconnues. Je vous parlais de beaucoup de militants, parmi lesquels Amadouba, Diawara et beaucoup d'autres, qui ont été arbitrairement également arrêtés et acheminés vers des destinations inconnues. Je vous parlais de l'honorable député Mamdi femme, arrêté arbitrairement en tant que député et représentant du peuple, est placé à la section de recherche en même temps que M. Dekiefal. M. Makissal, nous vous donnons un ultimatum à libérer tous les otages politiques qui sont entre vos mains. Au-delà, nous viendrons chercher ces otages politiques, coûte ce que ça devra coûter. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel pressant et fort à la population sénégalaise, à la jeunesse particulièrement. Depuis des jours, un travail de sabordage systématique a été entrepris par le régime. Tous les réseaux de communication et de destruction des repères euh, mentaux ont été expérimenté et exploité par ce régime. Pour vous dire simplement à vous, la jeunesse de ce pays, que vous ne devez pas sortir manifester. Que il y a des leaders qui veulent vous sacrifier. Que si vous tombez lors de ces manifestations, vous serez les seuls perdants, vous et vos parents. Toutes sortes d'artifices a été utilisé. Aujourd'hui, vous êtes sortis massivement. Je veux vous rassurer, que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Je peux vous jurer que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien de ce combat en termes de retour. Nous nous battons par conviction, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une génération qui devra obligatoirement se battre, se sacrifier pour que les générations à venir puissent trouver un meilleur Sénégal et une meilleure Afrique. Nous prions tous les jours le Seigneur d'être de cette génération. Parce qu'on ne peut pas avoir plus sublime satisfaction que d'avoir été parmi cette équipe qui a impulsé le changement qualitatif, structurel, politique, sociétal, économique que toute une nation, que tout un continent attend depuis très longtemps. Donc considérez que nous sommes les premiers à nous sacrifier quotidiennement, jour après jour, nous et nos familles, parce que nous y croyons et que nous ne gagnons rien en retour. Et nous n'attendons de gagner absolument rien. Mais nous n'y parviendrons pas sans vous. Ce combat, c'est pour vous. Ce combat, c'est pour que, ensemble, nous dessinions un autre contour de notre Sénégal, un autre contour de notre Afrique. Restez mobilisés et soyez prêts à tout moment à répondre présent. Aujourd'hui, il était question que de dire non à la confiscation d'une liberté, celle de manifester. Et vous avez vu ce qu'il en a été. Le premier qui doit en tirer des leçons, c'est Macky Sall. Le jour où il s'agira de dire non à son projet funeste de troisième mandat, qui n'a d'autre dessein que de s'approprier notre gaz et notre pétrole pour les livrer à des puissances occultes et à des intérêts étrangers, qui n'a d'autre objectif que de continuer à s'enrichir à coups de milliards, lui, son griot, sa famille, ses proches, au détriment du peuple sénégalais. Le jour où il sera question de ce troisième mandat, alors ce jour-là, Macky Sall saura que les Sénégalais ne sont pas ce qu'ils pensent être. Que toute son entreprise d'intimidation, de menace, n'aura servi en rien parce que ça se jouera en quelques minutes, en quelques heures au plus tard, et il quittera le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Je lancerai enfin un appel, une fois n'est pas de coutume, à la presse sénégalaise. Nous avons en commun cette nation sénégalaise qui a été construite, construite par nos parents, par nos arrière-parents, qui ont construit un socle social solide que tout le monde nous envoie, basé sur la tolérance, sur l'estime mutuelle, sur le vivre ensemble, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos religions, au-delà de nos régions, sur le cousinage à plaisanterie, sur les mariages croisés interethniques. Ce socle fort qui nous a été légué ne doit pas être détruit. Or, aujourd'hui, l'espace médiatique est devenu un espace d'insultes, d'invectives, d'attaques sur la vie privée, sur la religion, sur l'ethnie sur la région est malheureusement relayée quotidiennement et grassement par la presse. Ne soyez pas des radios mille collines qui ont détruit, qui a détruit le Rwanda. Nous appelons à beaucoup plus de responsabilité. Parce que souvent on se plaint que lorsqu'il y a des manifestations, que les manifestants se tournent contre des organes de presse. Je le dénonce, je le déplore et je dis ici que nous n'avons jamais donné un mot d'ordre pour attaquer un organe de presse, a fortiori un journaliste qui ne fait que son travail. Mais quand on devient un support qui distille la haine du matin au soir, les insultes contre d'honnêtes citoyens, des pères de famille, des leaders d'opinion, ne soyez pas surpris que cette haine se retourne à moi ou à un autre contre vous. Soyons tous responsables. Ce qu'on attend du débat politique, c'est un débat d'idées croisées sur le budget, sur nos ressources naturelles, sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes, sur la pêche, sur l'élevage, sur le transport et sur toutes les autres questions. Est-il trop demandé à une presse d'aider le Sénégal à rehausser le niveau du débat et non une presse qui est colportrice et, euh, euh, colportrice et trans, qui passe tout son temps à transmettre des insultes, des messages de haine, de diffamation, d'attaques sur la vie privée. Ce Sénégal nous appartient. Travaillons à le stabiliser. Travaillons à en faire un Sénégal de paix, d'amour et de respect réciproque. Et cela devait, commencer par Macky Sall, qui malheureusement est un homme qui ne vit que par la haine et pour la haine, qui pense qu'il ne doit pas avoir de contradicteur, qui pense que personne ne doit avoir une idée contraire à la sienne, qui pense qu'il ne doit pas avoir d'opposition au Sénégal. Ne le suivez pas sur cette voie, parce qu'il nous laissera avec notre Sénégal. Et chacun devra après se regarder devant un miroir et certainement devant la justice sénégalaise je vous remercie mbokk Manglini maa ngi di gërëm di sant di leen nuyu kenn ku nekk fi nga ne wax naa ko keroog léeg-léeg dinaa wax door sama wax ci kàllaama nasaraan ndax dafa def dañoo bëri ñu ñuy di ñu seetaan fépp ci àdduna bi te ñaare dañuy bëri lu ñaxtu ci lu ñu mënul dégg li ñuy wax moo tax ñu defee ko nii mbokk yi li ñu dund tey ñun ñëpp ko dundandoo Sénégal yëngatooti na ma jàpp ne ak ni fii leeg 2024 yi di fi jóge Sénégal dina jafe mu jóge ci yëngatu lu dul moom Macky Sall delloosi na xelam ba xam ni moomul nit ñi moomul Sénégal mu jox kenn ku nekk cër bi mu ko war a jox bu boobaa Sénégal dina nekk ci dal nekk ci jàmm mu yeggali mandaam bu demee dem jotee mu dem maa ngi dooree sama kàddu nag ci massaw askanu Sénégal yépp waaye it bi jaale ñi nga xam ne mbokk ñi nga xam ne seen bakkan rot na tey ndax yëg nañ ni ñetti bakkan rot na te ñetti bakkan yépp Macky Sall moo leen faat moom ak gendarmerie ba ca njëkk mu nga faatoo fii Colobane laaj naa tur gi jotaguma ko muy ab xale boo xam ne nee nañ ma fukki fan ak fukki at ak juróom la amoon yàlla def mu xawoon a ànd ak matadi ci ay cër nee nañ ma fi mu nekkoon tëdd fa te ay mat laa ne fa fa la alkaati yi dem sànni la grenade lacrymogène mu taal néeg ba taal matlaaya mu lakk fa ba médecin moo doon waxal sànq ci téléphone nee na ma buñ la boo ko fekk buñ la wonoon fi mu nekk fiñ ko fekk doo ko mën a xool loolu mooy police su Macky Sall ak gendarmerie Macky Sall ñu koy jaale waa këram yeneen ñaar ña ñu nga faatoo Casamance kii Bignona kii Ziguinchor te leen faat mooy gendarmerie moo jël balle réelle dóorleen ko ci ñoo xam ne boo demee Bignona manifestation amu fa woon manifestation bi Ziguinchor la woon nga ñëw fekk ay nit ci seen siège alkaati ba ci niñ ma ko waxee dafa jël temps am yépp chargé fetalam toog visé defar ba mu jekk mu dóor ko bal bi ci biir bi ko xale yi di yóbbu yenn di yóbbu hôpital ngeen jéggal ma ma wax leen ma ni ma koy waxee nee nañu butit butit da doon da doon lang loolu noo koy tuddee lu dul assassinat nga dellu fële Ziguinchor ñu jël ay bal dóor nañ ko ñetti nit kenn ki ki ci faatu ñu ngi ko ko dóor ci baat mu ngi tudd Idrissa Goudiaby ki faatu bi ñoo na moom moo tudd Abdoulaye Diatta Idrissa Goudiaby mi ñu faat ca Sikicoor ñu ngi ko dóor bal ba ca baat bal réel ñeneen ñaar ñi nee nañ ñu seen dund fi mu ne nii menacé wul waaye kenn ki ñu ngi ko dóor bal ba ca gannaaw kenn ki ñu ngi ko dóor ci tànk ba ba ñu ngay doog a génn bloc opératoire foofu nag di ngeen ma may ma taxaw tuuti parce que sénégalais il faut ñu xam lu xew. Casamance dafa dund lu ci ay ati at yalla def ñu dem ba tay lolu jeexna na Macky Sall moo koy utiliser diko politiquer waye lan motax sa suñu né manifestation amna do doo dégg mukk ñu né dóor nañu bal reyal mbacké wala def nañ ko Ndar wala def nañ ko Ndakaaru waye Casamance juro minute yu génné di manifester ñu dóor leen bal parce que lolu moy gis-gisu Macky Sall Macky Sall japp na ni Casamance du nit tay stratégie am moy nu muy féewalee Casamance ak Sénégalais Casamance bu àndul ak mom mu rebelle ñu fare créer seeni dossier dem jox ko procureur lu ne ñu wax ko tay ñi ñuy ñi ñi ñu am satisfaction ci ñom yëkkati leen ba ci kaw ci ay sportif te ñuy Casamance ku ci newoon tey damay dugg ci politique te opposant la suba suba ñu ne rebelle nga ba ci moom ñi ànd ak moom ci politique Benoît Sambou moomu ànd ak moom ci politique bu xewoon ne opposant la ñu ne rebelle la loolu nag il faut mu dakk ndax waa Casamance dañoo yàgg a ci loolu tey leader politique am na naam dëkkul Casamance donc waaye am na lu mu am ci Casamance te muy lu am solo te mu am ci fierté trop nag muy Ousmane Sonko. waye est-ce que Sénégal nyugis nañu gis li ñu gis tay ci Ousmane Sonko Senghor ba tay ji wala ñom galandu sax lay wax ba tay ji est-ce ngeen bus ngeen dégg ñu attaquer homme politique ci wasom ci ethnie bu mu bok est-ce que mus ngeen gis ñu attaquer homme politique ci région bu mu bok ta bis bu ne su bo ngon jot ngeen dégg ko dinañ ma xass xass samay mbok est-ce que Sénégal mus ngeen gis ñu attaquer homme politique nan ban diine la bok ban tarixa la bokk kan mooy sëriñam guléet ci Ousmane Sonko est-ce que mos ngeen gis homme politique ñu attaqué ko ci vie privée am di wax lu bon ci ay waajuram di wax lu bon ci ay soxnaam di wax lu bon ci moom suba bu guddi jot ci Ousmane Sonko la mës a am te li gën a doy waar mooy suñuy mbokk journaliste ñoom ñooy doon les relais wax naa léegi ci français Nyare, dara am ci manifestation ñu songu ay organe de presse makoy ñaawlu di nakaru yalla yàlla mi ma ni musuma tok bo wax nit na nga jurnalis journaliste wala organe de presse waye nit bo xamne da nga njabote ci bépp fan bis bu ne ab journal dem ut nit bo xamne ne la ko ni fay ñew saga nit koku nga talal ko micro ne ko sagal ba sa xol sedd loolu nga xam ne Macky Sall ko fi andi muy fexe ba noonoo ak mbañeel rek mooy nekk diggante Sénégal yi ngalawaay yéen laa presse bu leen dugg ci loolu la ñuy xaar ci presse mooy ñu fexe ba suñuy waxtaanee dëkk bi nañu waxtaane fu kawe mooy mbay bi fuñ ci toll napp gi fuñ ci toll càmm gi fuñ ci toll école bi fuñ ci toll paj mi fuñ ci toll lii yàlla may ci wërsëg muy pétrole gaz or zircon fan lañ ci toll ndaw ñiy bëgg a liggéey te amuñu liggéey fan lañ ci toll loolu mooy débat politique mais xëy su ba ngoon jot am Ousmane sonk andil Ousmane Sonko loolu bu leen doon rajo mille collines Rwanda la ko taal presse da cee bokk saa soo waxee nag coow li bëri waaye nañu delloo suñu xel réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk Macky day dem bañu fi nañu seet nu ñuy doxalee te rafetal kon li xew tey sikki coor jaaduwut te dafa war a dakk nag te mënuñoo xoqatal waa sikki coor wala ñu boole leen ak askanu Sénégal ba yaakaar ni wala ñuy leen di essayer boole ak askanu Sénégal ba ba yaakaar ni loolu dina leen tere def ëllëg suñu wooteewaatoon manifestation li ngeen gis tey ci sikki di ngeen di ko di ngeen gis du ko ëpp juróom parce que ku xamul waa sikki coor moo moo jàpp ni mun na ko xoqatal manifestation amoon na Dakar tey te moo gënoon a métti trop ndax fu ne taal nañ ko waaye est gis ngeen ñu tiire fi bal lan moo tax ñu tiire bal fële te loolu lépp nag Moussa Fall la général Moussa Fall ndigal gi mu joxoon alkaati yi démb mooy na ngeen def répression mooy ku yëngatu na ngeen duma na ngeen na ngeen jëfandikoo seen jumtukaay yépp man maa leen di couvrir lu mun munti am man maa leen di couvrir loolu moo indi lii wax naa sànq nag ci sama waxtaan ni fan yu néew ci kanam dinaa dellu si wax leen yéen waa Sénégal li tax Macky Sall def bakkanam ci nguur gi ak li tax ñu mel ni Moussa Fall fas yéene rey seen bopp pour Macky Sall mun a nekk ci nguur gi loolu du waxtaanu tey jox naa leen dig daje ci lu kanam te lu ma leen di wax rek dama leen tegal firnde ak kayit yu leer kon tey li xew li ko indi mooy yeewi askan wi xañ nañ ko ci lu dul dëgg te ñii juróom-ñaari nit ñi ñuy wax sage conseil constitutionnel yi tey suñu tëddee waruñu nelaw de ndax ñi dee ñoom ñoo leen rey waa DG ak Antoine Diome buñu ñu tëddee waruñu nelaw de ndax ñett seen bakkan faatu ñoom ñoo leen faat ndax jalgati constitution bi ñu waroon a appliquer ñoom moo andi lii lépp waaye gannaaw bi ñu defee li ñu def ba pare Yewwi Askan ne am naa sañ-sañu manifester sama naqar constitution bi may ko ko article 8 constitution moo ne citoyen bu nekk am na droit di manifester Macky ne ñun duñu manifester looloo andi lii lépp waaye yéen waa Sénégal jàpp ngeen ñi tey li mu génn ci ay alkaati li mu génn ci ay grenade lacrymogène li mu génn ci ay oto ak ay char de combat jàpp ngeen ni loolu bàyyi woon ñu dem daje fi ñu daje ku bëgg a ñëw ñëw ci jàmm ñu wax li ñuy wax ne defaraat place ba mu set dem ñibbi jàpp leen loolu gënoon na ko yomb téeméeri yoon du def nañ ko ay fan ci gannaaw est-ce que dégg ngeen coow est-ce que dégg ngeen xeex est-ce que dégg ngeen xuloo est-ce que grenade tàkk na fa est-ce que bakkan rot na fa Macky li tax mu foog ni moom dafa donn réew mi ba yaakaar ni war nañoo mën a imposer lu ko neex saa su ko neexee loolu nag lañ ko tuddul nangooti duñ ko nangu de kon dictature bi mu bëgg a senegal moo jur lii te day door nag muy jàngat yi nga xam ne lu ñu war a jàngat la ci lii xew bu ci njëkk mooy tey lañu door te dootuñu teggi suñu tànk mooy bëgg Sénégal yëpp dégguñu ko tey lañu door lu ñuy dox ci 18 yi di fi ñu dëgmal ba keroog Macky Sall ñu ko fi jëlee li ma bëgg wax du mbirum liste kese moo ñu tax a jóg mbirum troisième candidature u Macky moom moo commencé tey te fileeg ñu ciy toll dootuñu ko may fu mu noyyee ba naan daf ñuy imposer dara ñaareelu jàngat ma ci jàng mooy daaw ba ren gannaaw biñ ko duma daaw ba mu dem làqatu ji woo sëriñ si woo ñëpp bañ ci jógee makki sal dafa dem taxañi doole dem ci tubaab bi ñu jox ko ay armu ay gànnaay dem ci Israël ñu jox ko ay gànnaay dem ci keneen ak keneen Turquie ñu jox ko gànnaay lépp mu waajal boppam déggoon ki ngeen fi ñu ne euh, recruter na mille policiers ak 3000 gendarmes daa di dàq ñi woon ci police ak gendarmerie ne ñooñu daf bi mu leen santee ni nañu dóor askan wi nañu rey askan wi dañoo ban mu dem jël Moussa Fall teg fa ak keneen ku mu teg ko fële ci police ba kon koku dafa dem bu foog ni pare na préparation amna dole, doole warna mëna attaquer askan wi waaye tay bu xolé li xew ta tay nit ñi ñu li li lancement la xam nga fu nek tak na waaye li lancement la li premier acte la won li ma bëgg fofu moy bu dé sénégalais dina manifester do manifester mo tax sénégalais genn ba ni ni ni ñu gis ko tay na xam bis bu mu fi tuddee troisième mandat question de seconde là, de minute wala d'heure waaye bis bu fi tuddee troisième mandat dina jàmmarloo ak Sénégalais parce que duñ ko ko nangul liñ fi doon bañ moom mu jiitu ci xeex bi yoroon mer gàddoom nan ma ngay dem fële ne Ablaye Wade warul am troisième mandat Macky Sall bu yaakaaree ni loolu ñu xeex ba mu mundu jóob ba ba rot ci ak keneen ak kenen moom dinañ ko ko nangul ndax na boppam jàngat gi mooy. li Macky Sall war a xam askan wu taxaw ne doy na munoo am alkaati bu ko bu ko bu ko mën a dëkku munoo am arme yu ko mën a dëkku Algérie moo ëpp moo ëpp puissance foofu senegal waaye bi Algérie yi jógee Boutef Bouteflika dem na Tunisie kazalika Égypte moo ëpp doole téeméeri jun yoon Sénégal waaye keroog bi égyptiens yi jógee Moubarak dem na ak feneen ak feneen ak feneen kon dafay nax boppam ak ñi koy wër naan ko mun nañ ko mun nañ ko regle loolu beneen jàngat bi ñu ciy jàngat mooy gis nga fi ñu toll nii ci Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy nax seen bopp waa Bennoo Bokk Yaakaar nga xam ni seen làmmiñ ak seen fit mu ngi yem ci conférence de presse seen siège waxoon ñëpp diggal nañu ñëpp ni ñoom dañuy génn attaquer manifestant yi waaye tey ñoom ñëpp ñu ngi suulu seen biir kër gisoo ci kenn ku génn suba nag dinañu am fi dem seen siège ne dañuy def conférence de presse lañ cay jàngat mooy Macky Sall xamal ni sénégalais yi wàccu nañ la minorité sociologique ak politique nga fii ci Sénégal yow ak ñi nga àndal ak ñi lay jàppale ak ñi lay jay minorité sociologique nga fii biir Sénégal fi mu toll nii beneen bi wax mooy bataaxal bu may yóbbante waa bitim réew rawatina nag waa France Afrique bi ngeen xamoon du Afrique gu tey Afrique bi nga xam ne da ngeen daan jël seen seen ab président teg ko jox ko ngànnaay jox ko ay matuwaay ne ko dóoral rayal tëjal kaso fii léegi yaa ngi may signal li ma bëgg soo amee pétrole jox ma soo amee or jox ma soo amee jamaa jox ma la ci des yëpp sama yoon newu ci Afrique boobu jeex na peuple yi ngeen gis tey du peuple yu am complexe dirigeant yi ngeen gis tey du dirigeant yu am complexe li ngeen am seen dëkk ak li ngeen bëgg ci seen àdduna mooy àdduna bu jaar yoon ngeen am alal am koom-koom di faju di lekk lu baax di def tourisme di tukki noonu lañ ko buggee ñun ak suñuy njaboot gënu leen ñu kon ñoom Macky Sall ñi ngeen fii teg ak ñoom Alassane Ouattara ak ñoom keneen ak keneen loolu xeetu dirigeant boobu jeex na Afrique ndaw Afrique ñoo ko mënatul nangu te lii xew Afrique mënatu leen ko téye du mbirum Ousmane Sonko bu ngeen faagagaloon tey Ousmane Sonko tey la waalo di gën a ay ndax ay téeméeri Ousmane Sonko ñu ngi fi kon mënu leen ñu gën a bëgg seen bopp. lii nga xam ne tey mooy enjeu bi te Sénégal yëpp war xam war ko xam li tax Macky Sall jaral na ko bakkanam gis nga suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xam ne jaay na ko ba noppi waaye fas yéene toog nekkal fi ñooñu comme ñun wax nañ ne bu ñu toogee dañuy renégocier yëpp parce que niñ ko tëggee baaxut ba Sénégal di ci am 10 pour cent keneen di ci am 90 pour cent ñu ne ñun bu ñu toogee dañ koy renégocier ndax dafa jot Afrique dund ci alalam. suñu ndaw ñi am ci liggéey ñu defar ci ay yu baax defar ci suñuy tali defar ci suñu dëkk ba mu ne ñooñ looloo tax tànneef bi diggante Macky Sall ak ñun ñi ci loolo la looloo tax tubaab yi di ko jàppale rawatina France loolu nag moo nekk en jeu yow laay waxal yow ndawu senegal nun politique soxlawuñ ci dara yàlla mi ma tiim xam na ni soxlawu ma dara ci politique du alal du daraja du tur waaye dañoo gëm ni faw mu am génération boo xam ne da koy jaral lu bëri parce que réew bu baax ci àdduna dafa am génération bu sacrifié wu looloo tax ñu dugg ci politique looloo tax ñu ciy daj lu ne looloo tax ñu ciy dégg lu ne kon ngillewaay yow mii ndaw yow mii nekk jaspora yow mii di cadre intellectuel privé comme public yow mi di man yow mii di commerçant yow laay waxal parce que ñoom seen stratégie yëpp mooy fexe ba ëlëmal seen xalaat naan leen bu ngeen fa demee ko fa dee yaa perte lan moo tax ngeen dem di xeexal Ousmane Sonko ak yu mel noonu yàlla xam na ni xeexalu leen ma seen bopp ngeen di xeexal ñoom dañoo bëgg a toog ñoom ak seeni njaboot laaj leen ana seeni doom ñoom. chaque jour ñu ne ana doomu Sonko ana man samay doom a ngi fii ci kër gi bu ñu xëyee dañuy dem jàngi lycée la ñuy jànge nekkuñu sax école privée bu ñuy génn manifestation ñoom du ñu xam ni génn nañ manifestation ndax bu boobaa dañ koy booleeg seen nervi pour ñu pour ñu faagagal leen pour mun mun maa jot waaye ana doomu Macky Sall ana doomu ay ministre am ana doomu ana doomu ña nga Dubai ña nga Canada ña nga lépp ci xaalisu réew mi milliards yi ñuy sàcc di leen jox ñu jënd ay ngandim oto nekk seen la kon ñun nag ñoom bokkuñu ñun nag yéen ñu tax a xeex kon xeex bi nañ ci ànd ak ngor ñun ñëpp parce que nag am nañu occasion historique buñ ko bàyyi mu romb am nañu occasion historique delloo si suñu réew ci suñu loxo te bu ñu bàyyee 2024 bi romb nañu xam ni pétrole ak gaz ak leneen ak leneen buñ ko tuddati c'est fini. kon ñu ngi leen di lancé message boobu gën leen farnu gën leen takk ndigg yi ndax lii day door tey la commencé day door di leen wax tamit walla di ko wax Macky Sall gannaaw bi ma feddalee li ma wax ci tubaab ni moom reykatu nit la rey na daaw fukki xale ak ñeent tey yokk na ci yeneen ñett

place de l'Obélisque mu génn siège am ñu Nous ko yobbu boobu ba léegi ñu koy ñu ni section recherche nee nañu dañ notifié garde à vue pour xoqatal ko rek il faut ñu def tout ba week ñaar ay député lañ kenn parce que place de l'Obélisque est tere ñu ngi leen teg loxo yóbbu leen fu kenn xamul am ay militants yu bëri yu ñu jàpp it ku ci mel ni Amadou Ba nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko ci plateau yi ak ñi mu àndaloon ñoom Diawara sama waa garde rapproché am na juróom benn yu ñu ci jàpp defuñu dara lu xëy jël seen oto wàcc kër góor gi di ñëw sama kër ñu jàpp leen fii ci bopp koñ bi yóbbu boobu ba léegi ñu ngi central avocat yi sax nanguwuñu ñu gis leen ak keneen ak keneen ku ñu jàpp ci jeunes yi fàtte naa Ahmad dara nga xam ne maire Géejawaay la ñoo ngi ko jàppee Géejawaay Géejawaay mi ngi à 15 kilomètres de la place de l'Obélisque boobu ba léegi ñu ngi ko téye commissariat Géejawaay may wax Macky Sall nag que ñu ngi koy jox ak àpp pour ñi mu jàpp ñëpp mu wàcc leen ñu dem seen kër ndax bu àpp boobu weesoo bu leen wàccul dañ leen dem jëli. loolu nag dama koy fàttali waxu démbam ndax 2011 bi manifestation amee ñu jàpp ñenn ñi dafa génn taxaw ne Ablaye Wade boo bàyyiwul ñi nga jàpp ñun dinañ leen ñëw jël si donte nag ñuy jàpp ñun ñëpp dinañ leen ñëw jël si ci commissariat yi ma fàttali ko wax jooju bu bàyyiwul ñi mu jàpp te jàpp leen ci dëgg dinañ leen jël si kon lii lañu ñu bëggoon waxtaan ak yéen. gannaaw bu ñu ñaawloo doxalinu Macky Sall massawu Sénégalais yi ndax mérité wuñu woon président bu mel nii wallahi Sénégal mérité wul woon ku mel ni Macky Sall ndax fi ñu jaar ba alternance am 2012 ku ne woon Sénégalais yi dix ans plus tard lu mel noonu wala lu ko raw lay la ñuy jokkonteel kenn du ko gëm kon maa ngi massawu Sénégalais yi dañuy wax ni un peuple n'a que les dirigeants qu'il mais le peuple sénégalais ne mérite pas Macky Sall ndax Sénégal musul wàcc niveau bi ci wax lu dul deug ci jël alalu rew mi ci sosalaté ci wax wax ju ñaaw ak saaga ak fay ay kat ñuy wër di saaga bo ngon jot ku ci saaga ba gif nga woko ko khalis. jox ko xaliss Sénégal musul wàcc niveau bi té lolu du aada Sénégal du culture Sénégal kon massaw sénégalais ndax mérité wuñu Macky Sall waaye woo leen ñu mobiliser wu ndax ñoo moom Sénégal te ñoo koy defar kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di euh, jaalewaat ñi nga xam ne tey tiis dal na seen kaw muy lu yokk ci répertoire Macky Sall li fi xew nag xew na fu ne gis nañu ba siège u nga xam ne seen yoon newu ci gendarme yi dem ne dañuy dajji bunt bi lan lañ doon ut ci biir lu ne dégg nañ ko ci dañ faa bëgg a dugal drop dañ faa bëgg dugal ay gànnaay bu ñu paree ne Sonko ko fa dugal MFDC nii nangam nangam lañ la ñuy uti ci siège Pastef siège dafay dox di dem manifester siège baa ngi VDN dafa mun a dem place de l'Obélisque lépp gis nañ ko tey ci bësu tey bi waaye lii lépp nag li muy firndeel foofu laay daanele mooy nguur gu jeex nguur gu jeex gu neurmelu ak président la république bo xam ne ci tiitaange la mo waral li lepp kon soretul ñu ngi leni di di soññ suñu bop ñu ngi leni di di suñu bop di ñaan borom bi mu jàppale ñu parce que révolution bi mo doon wax dafa ñor ba nopi nañ ko yeggali te ñaan yalla mu yegg ci anam nu mu gën a seddee ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter une bonne nuit asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.